d'être 11h à Niamey, chers auditeurs auditrices, ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela alias Seno et avec moi Rabi Mekano pour vous servir. Bonjour Rabi. Bonjour Seno. Alors on passe aussi notre salam à tous ceux qui assurent en coulisses. À la technique, nous avons Amina Hassan et à l'édition Adama Dawaki. Alors Seno, quel est le menu du jour Et oui, comme d'habitude, on débute avec le flash d'information de la bonne musique nigérienne sera servi. Le loti avec le desk femme du studio Kalangu, le sport avec notre chroniqueur Hasumi Guruza. sans oublier la revue de presse du vendredi. Dans la partie entretien du jour, nous recevons euh, sous peu l'artiste Moussa Yaro. Il est chanteur du style d'Andalin Soeya au Niger. Avec lui, nous parlerons du genre musical d'Andali au Niger. L'écho des régions nous conduira aujourd'hui à Tirozérine. Nous terminerons avec les messages de nos auditeurs. Eh bien, chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure d'égaiement et d'infos. Sans trop tarder, voici euh, le flash d'info avec euh, Rafika Ataher. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour, comment vous allez ce matin Ça va bien et toi Ça va. Alors, la société nigérienne d'électricité, Nigelec, de nouveau reconnectée à la ligne électrique du Nigeria. Cela fait suite à la levée des sanctions le week-end dernier par la CDAO contre le Niger. La liaison a été établie mercredi aux environs de 19h30, a indiqué le directeur régional de la Nigelec de Maradi à notre correspondant. Les festivités de la septième édition du Festival international d'Okin Iska en Filengue ont débuté hier à l'hippodrome de Filengue, région de Tilaberi. Cet événement promeut le développement social, économique et culturel des départements d'Abala, Filengue et Balayara. Pour rappel, ce festival s'inspire de l'histoire d'un cheval mythique du nom de Dokin Iska, d'un filengue qui a remporté toutes les courses hippiques auxquelles il a participé. Les activités se poursuivront jusqu'au dimanche 3 mars. Hors de nos frontières au Tchad, après deux journées de tension en Djamena, les autorités tchadiennes ont confirmé jeudi la mort de l'opposant Yaya Dillo. Il a été tué mercredi dans un assaut mené par l'armée contre le siège de son parti qu'il accusait d'avoir mené la veille une attaque contre les locaux des services de renseignement. Selon les autorités, la situation est sous contrôle et une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ces événements. Voilà pour le flash de ce matin. Merci bien Rafika. Alors chers auditeurs, comme on l'annonçait tantôt, nous attendons euh, incessamment euh, Moussa Yaro, qui prépare son concert demain. Bien il va fêter ses 100 000 euh, abonnés sur YouTube. On espère vraiment qu'il pourra se libérer et qu'il sera là. Au cas contraire, nous allons aller avec un entretien. Mais avant, chers auditeurs, on vous laisse déguster de la musique avec euh, ce titre de Mousse Yaro. Il est en featuring avec euh, Rakia Moussa Poussi. C'est parti.

Auditeur, auditeurs, euh, vous avez un avant-goût euh, de euh, voilà de l'artiste des œuvres de l'artiste qu'on attend sous peu. Alors, avant de la voir avec nos studios, sinon on passe à, la, revue de, la, presse, Voilà, qui nous sera présentée par Nafisa Sirfo. Voilà, bonjour Nafisa, Bonjour Rabi, bonjour Seno et bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans l'actualité de la semaine, nous apprenons que la CDAO et l'UMOA lèvent les sanctions contre le Niger. Titre euh, à la une, le journal en ligne Niger Inter. C'est cela, Rabi, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO et de l'UMOA réunis en session extraordinaire à Abuja au Nigeria le samedi 24 février ont décidé de la levée des sanctions imposées au Niger, des sanctions infligées au pays à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023. Ainsi, au terme de ce double sommet, le président de la commission de la CDAO, Omar Ali Touré, a annoncé devant la presse locale que les frontières et l'espace aérien nigérien seront ont ouvert les transactions financières entre les pays de la CDAO et le Niger de nouveau autorisées et les avoirs de l'État nigérien dégelés pour des raisons humanitaires, nous apprend Niger Inter. Néanmoins, le président de la Commission a indiqué que les sanctions individuelles et politiques restent en place sans plus de détails. Rappelons que cette levée des sanctions intervient au moment où les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ont décidé de quitter la CDAO parce qu'ils ils estiment que la CDAO ne répond plus aux aspirations de leur peuple. Alors Nefissa, sur euh, tout autre plan, 1900 explosifs saisis euh, par la patrouille mixte département de Boboï nous apprend Actu Niger. En effet, c'est le dimanche 25 février vers 18h que deux individus à bord d'une moto ont été interceptés par la patrouille mixte départementale de Boboy dans la région de Dosso. Les deux individus étaient en possession d'une quantité de munitions. Il s'agit de 1980 bâtonnets d'explosifs. Mais l'un des suspects a réussi à s'échapper et l'autre a appréhendé a indiqué qu'il se rendait à Niamey avec la quantité d'explosifs. D'ores et déjà, L'explosif a été présenté au gouverneur de la région de Dosso qui a souligné que la situation est alarmante. Alors, euh, hors de nos frontières, la population invitée à la vigilance et à la collaboration contre le terrorisme, rapporte à Info. C'est dans un communiqué le 27 février que le ministère burkinabé de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a lancé un appel urgent à la population face à l'intensification des tactiques surnoises des groupes terroristes. Selon le gouvernement burkinabé et rapporté par les journaux, les récentes victoires des forces combattantes Attente sous les théâtres des opérations ont incité les terroristes à recourir à toutes sortes de moyens et de perfidies pour perpétrer des attaques. Dans ce contexte préoccupant, il invite les citoyens à redoubler de vigilance et à signaler toute activité suspecte aux forces de défense et de sécurité, notamment surveiller de près la présence prolongée d'individus à proximité des sites sensibles, les signes d'excitation ou de nervosité inexplicables chez une personne, ainsi que les changements soudains et inexpliqués dans le comportement des individus de leur environnement quotidien. Le ministre a à la fin souligné l'importance cruciale de la collaboration citoyenne avec euh, les forces de défense de sécurité dans la lutte contre le terrorisme conclu à Info. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa Sifo pour cette revue de presse. On se dit à la semaine prochaine pour une autre. Alors, allons en musique, toujours avec notre artiste du jour, c'est Moussa Yaro. Sa collaboration avec Haji c'est Sarawunia pretend c'était Saraounia de Moussa Yaro hein, en collaboration avec euh, Hajia euh, Maimou. Voilà. Passons à présent à notre rubrique hebdomadaire, chers auditeurs. Si vous venez de nous prendre un cours, pas d'inquiétude. Vous pouvez la réécouter cette émission sur notre site web www.studiocalangou.org. À présent, oui, exactement. La rubrique entrepreneuriat de cette semaine nous amène dans l'entreprise de Abdul Wahab Ide Oumarou, spécialisée euh, dans la menuiserie aluminium à Niamey. Il s'est lancé dans cette activité il y a de cela euh, quelques années et grâce à cette activité, Abdouab mène une vie à l'abri euh, du besoin avec euh, sa famille. Cependant, si, ces six derniers mois ont été difficiles pour son entreprise. Il nous en dit plus au micro de Aminata Poubakar. matno goyo goda akan faman dirsi eh, aluminium on kai gite dai fenetre inganda port kammata su dere wani kwa da cloison yin no da fenetre no da port no kulu irgite da vitre mo no igdan sasi sasi highway eh, su dere ga irgidan ça dépend de client matkan kinno agba parce que y'a a d'autres qui igba en mte ingese des vies matakan kinaran salan saba ignonise se nima goyo kultufi ni zan men devro za goyo ha kunno gwara boremo isofi ma denge ginai ingan dingai bon après da ban imunno na wana alhaku kan kamata na parce que akula ran salan sabare tonton fona han go gudwa han won go yura wallahi tonton alhamdulillah ay do ara tonton ni zama za ay sintin goyo alhamdulillah ay higi ay gonda wanda ay gon is isfo akula ram won ay go goye ay go gunwa ay siglu emo ay go ay bonnon gora donc alhamdulillah sandai fona go gudu go yura go igina asi furmata kankine iga bara parce que sont actuellement ay bobo gon banu du goyo ni koy gine nim gina da igina asino igine commande yakini amanka problème de truc ceci cela donc ah, ko no goyo asarga kada kamodun do an sudu gate parce que gina sino to son ken fona hanga to nan di aran ah, pour purta jaido wal mo ken fona hanga te gwamnati sai kan na aran cala kan gogo in dugoi shen o kai te dai go borgo goro sina go kan te wo dai mat morado amanti bar du hay kulkan kinno kan dai ni be kan nigin gan morado tiara ka gin nafa ce kan ngana yim be kan lai nu gonda goynya kara ba idi ni sai foy be nu gonda goy kan nu te kara nu go gudu haya wadin wa akkan zama borgo goro shome wo kon kon wa kin borgo gore bor sing bo morado fer balle nam fo morado feri gon to ga kin o ke gite mo ci kan danga irin er nigerian kan barkin dokan gogilla sabu kan borai siba goyi borai da kalfada na kine wadun mata ci sanno goyo irga ba goy irgo goye don don irga wana me borai no ga goyo no irse ima te halin bai borai gogoi wal borai si gwani saf etranger etranger kan kai ne ngono ba go ngono ba kine nigeria ngai siba orke si pasa zamun kun ba kuno siba gwarai me diman no ni se goyo mo dole no gorao ni ka goro Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique entrepreneuriat du vendredi. Elle était signée euh, Aminata Boubacar. Alors, c'est nous oui, on va euh, cette fois-ci direction Agadez pour euh, l'écho des régions, mesdames et messieurs. Plus précisément à Tirozérine, les personnes handicapées rencontrent des difficultés pour mener des activités génératrices de revenus. Même ceux avec des connaissances en artisanat peinent à trouver le matériel et c'est ce qu'explique Azara Abo, vice-président de l'association des vivants avec un handicap de tyrosérine. et le micro de Ahmed Félan. alhamdulillah tsakani da Allah mu dai guragu kowa dai yana zamane dai muna muka dan taruwan mu muna jayo hankalin guragu kalli suna kama hana kasassu kalli suna kama har suka kai inda yake ba su kama akwai kungoyi kamar masu kama muku haka domin ku ci gaba da harkokin ku wallahi ba mu da kani da Allah ba mu da muna ji arlit agadas angal duk dai inda adda koi na kasassu muna ji ana kakkama musu amma mu ba a taba zuwa a kama mana ba to me kawo wannan abu sani ba abin da ya kawo wannan abu kuma wannan masaloli ne kamar kasassu na garin Ciro suke gamuwa da? Gaskiya muna gamuwa da matsala iri-iri tun da ba mu da aikin kanmu ba mu da komai mu da zamana ne mu da diyanmu duk muna tare da su muna zamani mu da muke shugabannin su cewa suke yi mu ne abba mu kula da su mu kuma ba mu bane abba mu kula da su za mu musu magana wadda yake mai daɗi ce wata sa'a muka tara su muka ce muna da ranyo ko mun tashi mu yi ranyon nan muka yi ranyon nan sai a ce ta Allah ku rabu da su kuma dole za su ce haka nan kuma mu kuma dole mu zirme mu abin da suke faɗi mu ba mu da shi balle mu samo musu aikin da suke so waɗansu iya aiki waɗansu su iya aiki man ni da nake ce maka haka kaga na iya aikin ka ba kaga na duk aikin da kan neme ni na iya shi ya aikin hannu sai dai ban samu wanda ya kama mini ba in yi shi kuna da wani kira ga hukumomi haka mu da kiran mu guda hukumomi su dibe mu gura su dibe na kasassu su dibe su tunda su ma dan kasa ne su kula da su su tashi su je su iske mu inda muke inda muke su kama mana ko zuwa suka yi suka ta kara min shi daɗi tunda mu ma ɗan ƙasa ne mu kiran mu kenan da hukumomi da su zo gare mu su gane mu su ga inda muke zamane su ga matsalolin mu su ga abin da muke so su ga abin da ba mu so a matsayin ku na shugabannin nakasassu nan kamar wani irin aiki ne kuke so a kawo muku kamar tallafi mu aiki kowane iri ne aka kawo mana mun yi shi tunda aiki hannu in ka ce dai na kaba dai aiki hannu dai wanda yake za ana son shi mu mi iya shi tela ce mi iya in mutum kaba ne mi iya in wani saide saide na wani abu duk mi iya amma ba mu da wanda kama mana don haka nan kowa shiga sha'anin gaban shi Reportage région signé Ahmed Felan. Voilà, merci. Euh, il est 11h passées de 22 minutes, chers auditeurs. Merci infiniment à vous qui nous écoutez. Vous êtes plus de 3,4 millions euh, d'abonnés, d'auditeurs euh, à nous suivre sur nos différentes radios partenaires. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, tout de suite la page sport au Niger. Malgré les difficultés pour la pratique du football chez les jeunes filles, les acteurs multiplient les actions pour le développement de ce sport. C'est pourquoi la région de Niamey est en train de tout faire pour la promotion du football féminin avec la troisième édition du tournoi de football qui a réuni huit équipes d'EP de la capitale. Salamatou Kadri s'est entretenu avec euh, Madame Garba Rahama, présidente du football féminin de la région de Niamey. Nous sommes à la troisième édition et avec les équipes féminines, les équipes féminines affiliées et non affiliées de la région de Niamey. Elles sont au nombre de huit. Donc il y a Acha FC, AS Garde Nationale, il y a AS Corombe, la douane, il y a AWAF, AS Fan, Wadrak et ESAC. Et ça fait partie du programme de la Ligue. Donc nous avons organisé ce tournoi pour la promotion du football féminin. Nous comptons faire la finale, Inch'Allah, le 8 mars à l'occasion de la journée de la femme. Alors, euh, Hassoumi Grouza nous a laissé avec un son. Euh, c'est nous. Oui, Rabi. Voilà, euh, passons à oh. présent à la star du jour. Exactement, le portrait. Cher auditeur, notre star du jour s'appelle Moussa Abdoulaye, âgé de 40 ans. Et il est un réparateur de chaises à Timia, dans la région d'Agadez. Moussa est un malvoyant, il travaille pour vivre dignement, a-t-il déclaré. Habiba Ahmed l'a rencontré, voici son portrait. Moussa, ena wirtanniya yamakunu yagsi girawastinilimada wirtanniya inkada afaraqqanamakunu daqiyamida anganyame daga yamasan kedi tumrin kilo da sumas kolo da kidni ilma da shagala iza furuje tarin tama de ada ikkalam da kanten wonni le kulli mi jawani on khashirun daga de daga kalu tagan kimira niga awate wazzaran qallu ghiwa nashin niga asniga nqalim niga shine lan natagge shagala yamdad khalas musa muninka shagala hanan tanne distum faid tum fa awai تنمرت الحمد لله تنفع تاني قدس الغاس ليتم خطر جنسان تنور تمندي وليم فيلس إذا هاي كندا قند إيش اللي وادق إذا هاتو كندا بجدو كجرا تمون دقي قدس ميرا أو يقندو صدق كان تو موسى مرة ما نتم خوتر تندغ ثم قيسة غرف شغل والنكادي هنا تيني زيتم خوتر تيني ورتنا جم وزدار أرتواس تتقدي ورلي تلال تولي يدغا أرتوان الخكم ولا فروجية الغا كويدا سجي أقشين وار كجارة دوناكن قرار الشين ميرا لقيم مغني رسن تهي تانتم فالسافين كتين كنتم كميري سنتيم جينشن خاشل في اللس الشغل نفوس نفوشي نقاقي ماني تو مرة موسى كي هنا ما مرتيل التاتك ما تقوري تاتك الخكم ما مرتيل التاتري تقوري تالي زاد غلخكم تاي أن كان كوكري واسان عاد لي يدقى نشغل واي تدين يقمار مصمم لي خاشل تلال تانسان الحكومة ولا فرجية إنسان غاسك كان كوكر كله الشغل وارق واللي أنا ريت تسلمي دا غلا كاروندا ورقة غاشن يوم في يوم فوات مير دغنكي نكاري دس أما كواسان التلي فو الشغلي بلا انت دمرت فاني انت غايب أنا وتقري تو موسى ماني النصيحة في مترينك سندم ورتني يعني رنكي هنا دي هنا kwini zo nasa khawat ntafa aso idina ajitagu niyat tagu kokirin namma ku asana ajitagu aji shawara gafni chiyan hashil tanfa anjinsan itama gandaga اشتغلنا تم صفوسنت تاقنية تغاشل كله في اللس تنفع نغفنت تنفع وياري مجاني تراندا Voilà, chers auditeurs, c'était là euh, notre star du jour. Il s'agit de Moussa Abdoulaye, portrait réalisé par Habiba Ahmed Moussa Abdoulaye, euh, qui est un, euh, habitant de Timia, région de d'Agadez. On fait un coucou également euh, à la radio partenaire, à notre radio partenaire Nomade qui nous diffuse depuis Agadez. Alors, Rabi Clôturons notre playlist du jour avec Titiaye Omoyaye de Seili Mega pour bien commencer le week-end. تلني هلي ما تلني your face.

Il est 11h passées de 32 minutes. Euh, amis auditeurs, auditrices, nous sommes enfin avec notre invité du jour. Il s'agit bien de Moussa Yaro. Bonjour Moussa. Bonjour Bonjour Moussa. Alors Moussa, il est en deuil, mais il a tenu quand même à respecter son engagement. Il est à nos côtés. On se reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors, tout à l'heure, nous avons écouté Ken Kekra, la collaboration de l'artiste avec euh, l'une de nos grandes artistes d'Andoli, Rakia Moussapoussi. C'était Ken Kekra. Ensuite, nous avons écouté Saraunia. Alors, notre artiste du jour, notre invité qui a vraiment tenu à être à nos côtés, malgré le fait qu'il soit pris, qu'il prépare son euh, concert demain. Il fête ses 100 000 abonnés, abonnés sur YouTube. Alors, Moussayaro, tes vidéos avoisinent les certaines, les 1 million de vues, 600 000 vues. Alors, le mouvement d'Andali, Yayane, kai ka samu kai ka samu wannan eh, wannan dandali abin da nake biki magana ma eh. yau yau yau wata ta kai 1 million kuma Masha Allah. Yau manaja na Najeriya kira ne ce alhamdulillah felicitation na ce mala ya ce mana akwai wata waka da muka yi kauna da rakiya masa fusi. Mhm. safe si six mois de na ina ganin ita ma ta kai 1 million dubi. To abubuwan gaskiya sai in ce alhamdulillah da dai ba a respectin dandali. To mu ma abin da ya samu ciki kenan. Niger kam Afrika in ka duba Niger an fi son harkar dandali fiye da ko Najeriya da aka yi kiranta. Hmm. Amma kuma Niger ne bamu da artist guda wanda ya representan Niger ke ko a ce dan Niger ne wanda dandali ne. To ni wannan abin shi ne yake ci min tuwa kwarya abin da ya sa ni ciki kenan kuma Allah ya kama min da addu'a na da masoyana kuma alhamdulillah mun kai gaci. Yanzu da ka ce dandalin soyayya ka san Niger ma in Allah ya muna da artist waɗanda za su yi hidda mu kumya. Mm. don alhamdulillahi ok yanzu kaman ku nawa ne kuna cikin wanga movement na dandali soyayya eh kamar group kina ko kuma Muduka. na a Niger kaman artiste eski suna da yawa wanda suna yi wanga wako kina to gaskiya ni dai yanzu an ka ce maka hiddo maka artist nyame da yake ban san sauran region ba na san akwai amma ban san nawa nawa bane mm. amma nyame gaskiya za mu kai goma sha biyar kaga c'est pas ko mm. ya kamata a ce kamar Najeriya shekaran jiya da aka kida su ya plus de 800 acteurs wisan mawaka da aktuwar mutum 800 takwas to kaga mu kaga akwai saura amma savali savali hmm. sannu sannu ne in allah ya rida sirta ban san sauran region ba amma nyame artist namu wanda muke ji da su dai ba mu mu kenz musa yaro garawa ga waka garawa <laughs> kuma <laughs> to yanzu ina so in sani wani irin tsanani ne kake sama kanka dan aikin ka yi kyau kai tunda gashi na gaskiya sunan ka ya hito ba huce ma a Niger eh to ni abin da nake sa raina kullum cewa ni ba kaina bane nake ma ni kasa ta nake ma ni na san an ka ce Musa yaro an ka ce dan wane sai da a ce dan Niger ba a kiran sunan mahaifiyata mm. to kullum wannan abin shi nake sa cikin kaina cewa nasiyon ce gaba ɗaya nake presente yau in nayi abin kunya Niger za a zagi ba ni ba mm. don ka ni abin da nake sa cikin kaina kullum cewa ni Nijar ce nake ma aiki mm. don shi yasa ni nake ganin ayyuka na suna tafiya don ka ina ganin cewa kuma duk wanda zai sa kishi cikin aikin shi mm. ka rike gaskiya ka rike mutuncinka mm. to sai dai ka jira lokaci amma savali to yanzu in an doka kama a na Nijar cikin dandali kama na zuwa shekara goma hakan ga eh, selon toi, est-ce que d'ici dans deux ans, euh, l'évolution des Dandali dans la société nigérienne, comment est-ce que vous voyez cela Shekara biyu na baka seno, mm. in Allah ya da d'ici 2026. Mm. za mu hara manya-manyan fina-finai a nan Niger mm. wanda Afirka za ta yi amfani za ta yi alfahari da mu. Duba da cewa moi je suis en collaboration avec euh, le King Alinu mm -hmm. donc yana tambaya ta menene ya kamata mu yi wanda zai kawo ƙarin haɗin kai tsakanin Nijar da Najeriya duba da cewa yanzu an naɗa shi shine sarki ko in ce shine shugaba na dandali na fim ba dandali ba har da ibo da kowa fim duka Najeriya alino ne don shi kuma yana so ya ka gudunmuwar shi na cewa ya ga ya haɗa Nijar da Najeriya to shine ya kawo yake tambaya ya za mu yi mu haɗa to ina gani kuma hanyar da muka ɗauko da shi ba dizan ba dizan sa ba kawai abin da muke so ga 'yan ƙasa shine su so nasu in kuka so naku to dole wasu su so naku to yanzu musa mun gani in su yan film in nigeria in sun zo da yan dandalin in sun zo nan ga abin yana samun karbuwa sosai to ina so in sani in ku kuka je nigeria haka ne shi ma abin yake samun karbuwa spectacle kin naku patalma muna da mm. wannan matsalar ni je le dis je le répète ina hadi cewa yan niger sun fi son bako da nasu ba ki taɓa jin an ce wo dan Nijar zai ta Najeriya shi kwamsar jami'a. Cert ni na je na yi wasanni ni ma sai da na je na kai kai kaina suka ga wane ne ni mhm. yana suka fara invite ni na. Mm. Na yi Abuja na yi Lagos a ban yi Lagos ba na yi Jos mm. na yi Kano na yi Kaduna na yi Katsina. Mhm. To amma dai a ce dai yadda muke ɗauko su shaka fet 31 ba haka nan. Ba haka nan mm. gaskiya magana gaskiya a yi ta. Hmm. Nigeria ba su yi da kuɗi su su ɗauko wani artist daga Niger su kai shi sai dai mu ɗauko shi sai dai mu kawo 'yan Nigeria haka ne eh, Musa kuma kana cikin shirye-shirye na concert inka wanda certainement ça va se tenir demain n'est-ce pas dimanche alors dimanche ko voilà dimanche, voilà, dimanche. yanzu eh, kaman wani ir sari ne kana nan gayi pour que wanda za su zo eh, ils vont découvrir quelque chose de spécial ina so in gwada mutane cewa wallahi sai no ba sa baki gaba kuma ba ina so mutane su zo ba za mu yi abin da inda muna da rai ba a taɓa yin shi ba cikin kin dandalin Nijar. Sajo Lodiye Jolo Repet. Abu ne wanda za mu yi wanda ba taɓa yin shi ba cikin harkar music da dandalin soyayya. Ina kira ga masoya na Dimash a mhm. partir de 16h tout le monde est invité mhm. au CCOG. Ni ban ce muku gashi gashi gashi. Mhm. Shi yasa na ɗauko duk artist. In kana so ka ga ci gaba to ka ɗauko kuwa kaga na ɗauko rapper na ɗauko dandali na ɗauko su el siro na ɗauko orchestra na ɗauko kowa da kowa saboda ina so in ba kowa hakin shi music nigerian kowa ya zo ya dokokin rikin abin don ni alƙawarin da zan yi ma na waɗanda suke kritiken dandali da waɗanda suke ganin dandali ba komai ba ne ni na yi su ranar dimash su zaka su ga konser ne wanda dan dandali dai ban ce miki wani abu dan dandali dai bai taɓa yin shi ba ba ina nan ga <laughs> na gaba ne eh. amma in Allah ya rida le dimanche za a fara respectin dandalin a Niger machallah machallah le mot d'appel eh, est lancé Moussanda vraiment eh, actuellement vous êtes euh, dans une situation très difficile parce que vous venez de perdre un parent et vous êtes également en train de préparer votre concert. Est-ce que c'est possible de donner un avant-goût en acapella à l'endroit déjà de tes fans, euh, de, vos, fans, j'allais dire, qui sont actuellement à l'écoute Il n'y a pas de problème. Ça <laughs> <laughs> Ni ba mai kuɗi ba, ba ba. Ni ba ɗan gidan ciyaman ba kuma ba ɗan gwamna ba, ni ba ɗan gida na sarauta ba ɗan gidan wane ba, amma akan san ki yi nisa san ta ya zambi ba. Zuciya take ta yi gani, idan Allah ke lamani, iko da ina cikin bayan kiso ba a yi masa haka ba. Voilà, merci bien. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter la voix mélodieuse de notre invité du jour. Il s'agit bien de l'artiste euh, Moussa Yaro. Alors, Moussa Yaro, je vais poser les questions en français. On sait très bien que tu parles le français, mais tu préfères t'adresser à ton public qui écoute euh, le Hausa. Et c'est bien. Euh, je m'en vais vous poser la question qui suit. Il s'agit de savoir, y a-t-il des messages ou des thèmes spécifiques que vous véhiculez à travers votre musique Mm, bien sûr. Mhm. Akwai message wanda muke bada na farko dai wanda muka wanda message kin da muka fi bada mhm. shine na na zamantakewar aure mhm. na yadda zaki zauna da mijinki akan harkokin soyayya yadda zaki kalaman da zaki mai da sauransu na biyu kuma akwai message yawa akwai message wanda muke tura ma al'umma yanzu akwai message kin da za a yi kiran mu a ce mana for example kalangu za ta kiran mu elva collaborate avec nous akwai sakon da muke so mu tura kai tsaye wanda zai shiga duniya wanda za a ji don ka mu za mu tsara shi ta harkar waka ko ko a travers no cont mu sake shi sannan kuma akwai harkar zaman lafiya wanda muke kai ka sani on a travaillé bien avec toi cikin harkar labusan ga kaga gudunmuwar da muka bada babu artist Nigeria wanda bai bada gudunmuwar shi ba wanda an ce kashe za a bada chaque prestation ana iba kisan mil iskadiri mun yi prestation ya yi talatin don saboda ƙasa ta zauna lafiya kuma alhamdulillah don ka akwai misashi da dama wanda muke bada wanda kuma akwai kuma harkar nishadi a far a zo a yi rawa a yi waye da sauransu yanzu harkar rawan ma ita ma a sata nishadi ce saboda mhm. kana cikin susiyan ka tuyala la maison san vapa mhm. ka ji kana wajen concert tu regardes en danse en chante peut-être yana iya sulajen ka to mhm. kaga wannan shi ma wani abu ne ko ba gaskiya ba haka ne don ka duk abin da zan gaya maka cikin music kai ka sani paske ka ma riga yin ciki amma muna so wanda suna nan ga sauraron ma su ma <laughs> su saboda shine muna tambayan ku sai ku dan eh, faɗa musu alor labi musa yaro yanzu dai ka gani da eh, bisa kan youtube kana da eh, dubu ɗari mutum dubu ɗari da goma sha ɗaya da suke bibiyar ka suke bin aikin da kake yi to kana iya gaya mana ko mahimmancin da rezo socio social media ya samu cikin cigaban ayyukan naka da cigaban irin wannan aikin da kuke hmm. gaskiya rezo socio abu ne wanda indi artist kana da page page duba da cewa moi je suis peut-être conscient je suis le deuxième Nigérien wanda ya samu trophée na YouTube wannan to abin alfahari ne ni gare ni hmm. donc abin alfahari ne gare ni duba da cewa saman tiktok ba mu ba da gari mun ba duk wani artist yaushe ne tiktok bai jima da shigowa ba kuma youtube mutane suna rina shi ne youtube abu ne wanda ana biya ana biya saboda ni moi je me souviens dan saboda in yi encourage mutane ma ni tun 2018 youtube daga america suke biya na donc uh, youtube suna biya suna biya ni tun 2018 ake biya na chaque deux mois ko trois mois sai sun biya ni masha abin na tara donc ah. sai pour dire que artiste su kama kansu akwai kuɗi cikin harkar youtube mm. sannan kuma yanzu on va attaquer les 1 million d'abonnés in muka yi attaquer 1 million d'abonnés Allah ya ba mu sa'a za su yi mana takarda wadda za mu iya koma America da zama saboda sun san kin da za su turo mana a nord nan yana iya rike mu mm-hmm. don abu ne wanda ina kira ga mutane yan niger su je su yi mana abu nan komi ba a hidda cikin kuɗin ka komi ba a hidda kawai letan ke kashe kai saman YouTube tu tap le nom d'artiste et puis tu t'abonnes c'est tout suna nan gashi ka donc kira ba na Musa Yaro ba eh. ni ina so yawa yanzu Nigeria da mun ka kira shekaran jiya artist wajen goma sha uku a arewa kawai suka samu wannan trophy da na samu eh Nijar ne ke de mu bi ne kawai kaga ce nan menene zai hana cewa a ce yau eh, mdm kudu sun samu akim ya samu dare ya samu hamdi ya samu waye ya samu ci gabanmu ne ci gabanmu ne a ce nigerian ga suna na suna samun trophy youtube din nan artist ça velodir artist shi na iya kai sunan kasa inda president bai kai ta ba Merci euh, infiniment, Mousséaro de Moukou Sosei. Vous avez été très courageux vu la situation, euh, parce que je, ne cesserai de le rappeler, vous avez perdu un parent, mais malgré cela, vous avez été courageux, très très courageux d'ailleurs. Vous avez en tout cas répondu à notre invitation. Nous vous disons merci et nous vous présentons également nos condoléances euh, les plus attristées. Et merci pour la compréhension. Voilà, Mungode, Alheri, yi eh, dimash mm. Allah ya bada sa'a kuma Allah ya bada abin da ake nema amin amin don ka kira na ga mutane mhm. shine eh akwai wani darne kira da nake so in yi ga al'umma mhm. yau abin da yake nan ga hana mu artist ke mu ci gaba sai kaga artist yana tsaye da taxi petotar. je vais un peu parler de ça to menene yake kawo nan duka rishin in mutum ya shirya concert yanzu par exemple na shirya concert ki na dimash sai ka ji mutane kowa yana kirana in baka bani tike ba gaba in baka bani tike ba ban zuwa alor to wannan mil faran da zaka ka biya artist nawa na kawo artist goma sha shida na kawo artist hudu na ɗauko daga nigeria abokai na imagine wurin cin su ko ba su yi firi da ni ba wurin cin su wurin cin su in za su koma kuma ga abin da za su amma ku na gida mil faran guda ba ka iya cira ka ka biya yanzu haka ina nan ga samun wannan problem da abokaina ya kai mutum biyar ya kai mutum biyar da mu da su muka samu wannan matsala ah. to a kodan da nake jin kiran su dama ne no kart irsi koi irsi pasa artist in yana concert ka ɗauki shi ka kai ka biya ko kai wane ne ka kai ka biya kuɗin ka shiga wannan shine contribution kin da za a yi muna wanda za mu samu mu gumu ta mu yi sabon album 2024 ta shigo ko wani artist yana so ya yi sabon aiki wa mutanen shi in ba a travers le concert la roƙo za mu ta mi ko bara za mu ta mi to da Allah mu ba da haɗin kai wajen concert game duka artist Nigeria mm. wannan shi ne kiran da ke gani kun kiran musa yaro ya ce dai in artist ya sa kudin shi ya shirya wasannin nashi dan an ce ka biya jikka ka shiga ka kalla ka kama mishi ne shi kin ma ba banza bane ba za a bashi wurin da abun kaɗan da waɗanda yake gayyatowa to mun gode Allah ya bar sa'a yanzu sai no on passe euh, au loti et aujourd'hui le sujet qu'on va aborder, c'est à propos de ces femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Salam Toukadri et Aminata Boubakar. Salam alaikum. Assalam alaikum. Hey, wulak bag na Salam alaikum. Maino. aine ya ne hari ni kayi no ka ne o. eh bere wo fanda kayan son kai da mina ha halima sun wani singu gwarni windi zora ke hin zanta ne akan ayi ka gini ha su su boga kason da gangan mona nai go ka te gini hafa fa ai sin garfu ni go dai barkan han ce bandai logu ni singu gwarni kwara ba ni go ni gani cin wahi giza kaina ha he bege bani hai kan ne wada nai go ai wani gwargi sina kwara ni gwargi sin kwara ni kwara no ha ni fuwo no kan ni gono di susu boy e kason ni singa banganda ah ay wo kay man dita al kangara faji dai no gay ga wudin sai no ay ga hatta kwaya kwara halima ni bombay mo bay barkanti ni ha faji no goni ga ni sinda tele no he wonin nera no ay ni tela ne ko ni bani be ga tela kan go fuora to ifo seno nigi dirgin windi zo nan ferante inga ni ani porto mo yo gone ga feeri bor kul ga fura ga fattara ni ni man bai hay kan gote ni singa gor ni kwara ni go bor fofu me gono de ni al salam tare an wadin harramandi ha ni woy bor hanna mu ban ni kwara i man ne nin din gor ka sino aran sikar kan bani wadin bumbo ga kanu wala ran ma chortare te amma mu biya ga woy mu bora kwaara bora singa ba yollo tufuni maga a godai mo feri gin gunni mo ni ste lakkal amana teme eh bege ba ni fodo han dino gaga hay kan du kunyo kay go jin haga ay binde go salongu gogu du kunyo daga irmiye jir fa kaga ti koyni subhanallah halima he ni o bani gonga ni woni go kubay moday son ni wo ba kurnyo ka ni stela kal gader ni bumboni bonse hawi sindi ha fayda ise furga fatta zani ga furga fatta no ni ga te munakifi ay goro ay kwara ay manne abisay koy manay manne ha ni godai fu me gaga kabu ni no ne ni no ne he ir koy begni rakiya na yi no sanni kan gani su bai ai ko hanya da fata za su su bai kalki ni daka ai hina no go windora wadin sai dai no ai mai ko ikwara ai giga goi no din bumbo ne gai da kiyan wuti subhanallahi ai koi halim ni gai da gai mate krizi ga bu ha nin dai no gai gai tension wo tunan di koin hun kun gai ko kai yama yamu so halim ni woni singa da kin windo wo rani bonse to na imcin sai sanni fu hun kuna hun kuna igwar fa karai ni sai ni kwara ah masha Allah hmm? ay guguwar ka da wicir kan mu kali cili era kan cinni kurnya ka ay mana nasi kan a mu hiji gida a am te ni se wacce a ma da ni se fuyi za fadira ni ga bangan da ga zam ni se ga faji koy ni gonda ni gudu mai me yadinga subhanallahi son nuwa yadin gani sabai se kul gomni hal ni ka gu wicin ware yai se ay da dai wadin no ay siye ga ce ta mu koy ni gorga sin kwara hmm, to za kan ni baya gani bon samu fattini mayo rami ah, am fattini mayo rani bon se me zama yiwo bumbo ga bai kan ni gorga sino kan kwaru go ko gorgo din ha dai no go gada mun ne sai kan wallahi limuni go gai dorandi ai fargan dini amma kam ni sin bombay bai ni ba mon duma gun modin koy ni ko dai gorgeni hin jai ka tara sen sugun gidi harai kan duma go te ni sai ni duma gun ni ko dai gorhun rakiya ni sanno dino chimino fa amma wankan tegi bisu wo irmi dirnyangaga di irkoi ta layri hino wo aiga te izu wai aiga banai kwara kan borai bun bono ga kagai kan bani aiga ga sino mu insha Allahu su handa aiga koi ga yafke ga zan wallahi nigi fa. doran digaga to za kan ni bombo ni bai ni bon se talai kan ni gone gate a bisa me ina han fan bor min ga bon chabe a bisa borai min bor chabe gune ay wai farga ay fargan da sanni bo ba gun kalai karra ko gun mata kai moyo ko gunda do sai har yana fo borai gay bin yenan a ah, da har yan no kai tal saga sonda sonda kan dani si gune mayo hai son na na na na na dukuri ni si ba ni bon bai ni za kai na kan mana ba hai ni no mu sombu ne mu sombu ne mu tunu ni go fuwe mai gaga kabu hausi ba di nin dai no dukuri dan borai Aina har yana da connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, euh, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachar. Il est journaliste traducteur en langue tamashek. Euh, il nous donne l'explication euh, du mot du jour. Il s'agit de ONG en tamashek. Bonjour. Bonjour Siano, bonjour Rabi. Bonjour Lamine. Le mot du jour, euh, c'est effectivement ONG. Donc, euh, c'est un mot que nous entendons souvent, mais tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc, ONG, en fait, c'est un acronyme. C'est un acronyme. Mhm. C'est un acronyme. C'est la version abrégé d'organisation non gouvernementale. Qu'est-ce que c'est qu'une ONG C'est une association ou groupement de sociétés civiles ou d'intérêt public. Au Niger, il y a plein de ONG, des ONG internationales comme MSF, c'est l'acronyme Médecins sans frontières. Et bien sûr, en plus des ONG internationales, il y a des ONG locales c'est-à-dire des organisations qui sont des structures nigériennes qui travaillent au Niger. Le but de ces organisations, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais en général, c'est d'être d'utilité publique. Beaucoup travaillent dans l'action humanitaire, elles répondent aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux épidémies. Il y a aussi qui travaillent

اجلاني في الصفتين المعنى أنه إنجي ما يموت تداوت يفرغ ريقل تداوت من الأمة تداوت إن كلتك باش يملو لين مري تداوت نيتيدن أزقلن تنفع يا الأمة داني جار لان تو وين جيت يعني شيلات تداوت شين غير نطغي ميت ما نصنطا ندنت انتماوي شيلات نمساف سان فرونتير داس غانين وين هاكين ان تفن باتو تتقلت الصيحات ورنا للخدود السنة تاس دفرة وين تما ويندين وين دين لان تو وين كلمة نصا وين دولة ويناس يسجور أنا موسن إن كل نيجر شغال لين دا نيجر فلقنا ويقال وين دين الهدف نصا وريموس أجمع النظرف مدي يجي نظرف الهدف نسن الداوية تادي نسن داغ الشغلة وين تاقين شيلاتنا شغلنا ان انتهانين دلو تا وين تادي نسن يتي دا وين قرون تغاسارين كوانا كم مدى شغاسارين شين دي تا ويا الزمان مدى غي مجيرا مدى الوبا تنيات أرتوادا السوكان وإنجي وين Voilà, Et euh, je suppose qu'on est à la fin. Oh, <laughs> oh, <laughs> ok, on n'avait pas fait merci. à la fin. Voilà, merci bien à la mine. Alors, pour euh, ces éclaircissements, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. oui, et maintenant, écoutons ensemble les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sani da suna Rabon Mai Aski, shugaba na kungiyar masu kira da sauran radiyo jihar da makaram jamhuriyar Nijar. Gaskiya a wannan shekara da ta wuce abu guda wanda ya birge ni a tsare-tsaren studio Kalungu shine kirkirar shirin nan da aka yi na sha ɗaya zuwa sha biyu da ake yi. Eh, wannan shiri kuma ya birge ni sosai kuma ina jin daɗin shi ya kasance kuma ya ɗaya daga cikin irin shirye-shiryen yanzu wanda na mai da hankali a kansu. Eh ba don wani abu ba abin ya sa ya birge ni shiri ne wanda ya kasance ana gamawa da dukkanin harshen mu namu na gida eh, a cikin shi a cikin a wannan guda kuma duk abubuwan da ake tattaunawa a kai zaka yi su da Hausa ko kuma da zamanci ko da Fulatanci ko kuma da kuzu duk da harshen da ya kamata a yi ana yi kenan kun ga dukkanin irin yaran da kake saurare in kana sauraron wannan shirin an tabo irin ka da kuma irin abubuwa da ake tattaunawa musamman mata kai mai da hankali a zamantakewar wayan mu mata da kuma matasa da eh, sai kuma abubuwan da muke ganin cewa ya kamata a ce an gyara a wajen bangare na harkar studio kalango eh, bai huce ba illa iyaka na kullum magana da muke bangare na lokaci da aka baiwa eh, harkokin labarai na marici da ake yi lalle ana yi da harshe na duk wani suka baki da sai kasance mintuna goma sha biyar ne kadai ake baiwa ko wani harshe wanda ya kamata a ce an dan samu lokacin da za a iya ƙara faɗaɗa eh, mintunan wannan maimakon sha biyar kina suka yi da mintuna guda ashirin ya eh, mun gode studio kalangu kuma hallo sannan muna taya kubar da cikon shekara takwas da kafuwa da wannan studio kalangu a nan ƙasar mu ta Nijar. Ubangiji Allah. Voilà, nous sommes euh, à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabi et moi-même Ali Moukela Ouseni, alias Seno. Le plaisir, était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour euh, la semaine prochaine. À la technique, c'était Amina Hassan et Adama Dawaki et la qui ont assuré euh, l'édition. Voilà, bon début de week-end à, tous. Bye bye.